simila ana lu farandoowu Abdoulaye Daouda Diallo yi nar gannaaw bi seen waaji ne ci ginnaaw Amadou Ba lay mujjee topp wii laaj la réew mi quotidien xëy samp la ko waral yéenekaay bi nee na ñafar ak Abdoulaye Daouda Diallo danoo mer bu futtu ndax mbetteel ak naqar la leen dogalu Abdoulaye Daouda jàllo bi jural yéenekaay bi tudd ca ñoom Abdou mbaw waaye du moom doo nga mer ndax Abdou mbaw daa njëkk a wax rek waaye am na ñeneen ñu jàpp ne Amadou Ba mi ñëw barki démb dong waru fee romb ñi sos APR jur ko nàmpal ko tette ko waral El Ndiaye naan teg candidature am ci suuf moom Abdoulaye Daouda Diallo tekkiwul ne lépp dina nooy ci Amadou Ba réew mi quotidien wëlbatiku naan ñu Tamba moom mën naa nooy ci Amadou Ba ndax ñu fa fal ñépp daanaka ci ginnaawam lañu fas yéenee topp te ña ngay woo ña ca benn Bokk Yaakaar ñu ñëw topp ci Amadou Ba amadu Ba mooma ma ngay gàmmu gàmmub campagne buñ sukkandikoo ci le quotidien mi dellusi ci tukki gam amal démb ci këru diine yu baree bari yéene kaay ma jambal jaañ bi ne Amadou Ba sumb na ay liggéey yu bari ci këru diine yooya waaye am nday ak kumba amul nday yéenekaay bi nee na moom candidat wu bennoo bi dan koo xàllal yoon bi fu ko neex jaar booba jamono ña ngay bundu xataal gay Gueye Dany ak Malick Gakou yéenekaay bi di fàttali itam ne noona la nu fi defoon Mame Boye Diao keroog ba mu ne candidat lay doon ci élection bi nu dëkmal gontu dem ca stade Abdoulaye Wade bu jam ñaajo ñu tere ko faa dugg waa Grand ne ko du dëgg du yoon kumba am nday kumba amul nday mooy dox ci mim réew yéenekaay bi di ñu xamalit ne Bougane Gueye Dany démba cortège am dañu kaa bloqué te moo ne booba jamono Amadou Ba ma ngay ngay daagu ndànk wutali tiwaawan demam googa ca tiwaawan Sud Quotidien daf ko caa gis mu sol mbubbum président xaar lii Quotidien na yemul ci sol mbubbum président diggée na fa it ne kaaraange gu mat sëkk danañu ko indi ci gàmmu gi booba jamono Macky Sall mel ni ku ko war a wuutu ci réewum Sénégal sàkku ca ñay liggéey ak sunum réew ñu dalal ko ni ñu ko dalalee woon moom Macky Sall Macky mooma la l'observateur gis ne gaay Sonko yi danoo xajamal cereem njeextalu nguuram gi daal yéeni kaay bi ne dañu yuuxoo yenu ko yuuxoo ca New York ak njeexital yi mu mën a am ci démocratie bu Sénégal Direct News feelu ko ca loola ne ko du amoo leen fatt ci Sénégal moom Macky Sall ba mënunoo wax yéen a kaay bi ne loola waral opposant yi yóbbu xeex ba ca bitim réew xeex bi dox diggante Yewwi Askan Wi ak Khalifa Sall Les Échos ñu naan booba jamono jeexagut ndax moom Khalifa ak Moussa Tine danu leenaa seppi tegee ne conférence des leaders danoo ubbi beneen groupe WhatsApp wéyal seeni réunion am na sax ndaje mu nuy waaj ak ambassadeur yu Union a kaay biit génne cortège Malick ay gaz lacrymogène la ko sànni ca Richard Toll la xew Richard Toll googa ak yoonu xosantoo beeg Bougane Gueye Dany le témoin la mu ca jàpp mooy préfet policier ak gendarme yi mënees na leen a jàppee ay farandoowu bennoo bennoo mooma yeewi ak wàllu Sud Quotidien nee na ñoo ngi ci danger bu mag a mag ndax ubbiteeg session assemblée national bi nu dëkmal ku mayiwul du sedd ci yile coalition yéene kaay groupe Sud Quotidien bi ne la ko waral mooy coowal candidature yëngal daanaka coalition yépp réew leeralu Cheikh Thioro Mbacké ci coowal plan B bi yëngal Pastef moom député bi ne Guy Marius Sagna du plan B tey du ko ëllëg tournée ya muy def ca bitim réew nag lu jaadu la waaye tekkiwul ne moom la Pastef nar a tànn ngir mu wuutu Ousmane Sonko Ousmane Sonko mooma nag mooy kenn ki mën a janook système bi fi ne tey kàdduy docteur Cheikh Tidiane Dièye la yu mu yëkkati ci yor yoor bi ma ngay xamle ca booba la yéenekaay ne Macky Sall deseetul lenn lu dul bunduxataal ak fitnaal opposant yi ngir noppiloo leen noppiloo itam journaliste yi lank jaay seen ngor Ousmane Sonko jikkoom yu rafet fitam ak bëgg réewam docteur Cheikh Tidiane Dieye nee na moo waral mu teg candidature am ca suuf topp ci ginnaaw meerub Ziguinchor bi coordonnateur F24 Mamadou Mbodj ci boobale yéenekaay ma ngay ñaawlu dictature bunduxataal ak fitnaal gi nguurug Macky Sall nekkeek askan wu senegal ki ñu bunduxataal dëgg kay mooy Youssou nduur ma gaay Sonko ya yuuxoo démb ca Paris ba xamatut lu muy def le témoin ne spectacle birima ba la gaay Sonko yi Sonko risé tontu ko vox populi ne waaye yuusu woneeti na bari pexem de ndax ba gaay tàmbale yuuxoo micro ba la leen dékk ñu yuuxu ba doyal dal di mujjee jàll ci leneen ñu jàll ci leneen ak vox populi mi ñu yëgal ne juróom benn bakkan ñoo mujjee rot ci gaz bi explosé woon ci le waral njiitu réew mi Macky Sall di jaale ci bileb yéenekaay njabootu ñi faatu source a ñu enquête bi ci explosion booba ma ngay wey ba démb li enquêteurs yi jàpp mooy téléphone portable moo jur jéeye ji faat juróom nit Marie laaj la yéenekaay bi di vox populi samp nañu xaar ngir mu indi ciy leeral libération ni ko kaay ma wax la li tukkee ca boobale autopsie buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi amul benn gaañu-gaañu bu ñu nemmeeku ci yaramu Marie Gueye docteur ba ko càmbar la mu gis mooy gaañu-gaañu ak nàcc wu amee ci biiram moom Marie Gueye Yolande Silla moom lëkkaloo di def ñaawteef ak roppat ay koppar lañu koy toppee xale bu jigéen bi am ñaar fukki at ak juróom-ñaar kompaloo la def ak Saïd Hamza ngir bëggoon a jël ci Mohamed Sabañ ñaari million ci xaalisu CFA waaye gendarmerie daa mujjee kalatel dil ba Yolande ak Sayid ñu mujjee leen a teg loxo na grippe bi tegee tànk ca banlieue bu ndakaaru la Soleil nee na moo jaaxal fajkat yi waaye laas moom li ko jaaxal mooy jee yi hypertension di def ci réew mi yéeni kaay bi duñu yeggee xayma yu rag lu jamono ji réew mi quotidien xayma liggéey yi ñeel projet GTA ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci téeméer boo jël Mbay Jóob moom ay million la génnee ngir dem Nicaragua waaye dañu ko mujjee wàññi bu góor bi nettali fukki fan ak def diggante Nicaragua États-Unis ak ñetti weer yi mu def ci camp de rétention ci biir bés bi le jour lata muy dikk ci ni ko way juram yi teertoo ca Mbàkke ca Marseille Habib Beye xelam nekkul ci poste entraîneur buñ sukkandikoo ci réew mi quotidien stade ne ko Marseille mooma Amsterdam la jëm tey waaye du ci ànd ak entraîneur am Eliman Ndiaye doomu Sénégal bi ñu bare ngi seenu ci moom tey mu fay lakkuk Marseille gi Bayern booba jamono këpp yalwaanu Manchester United gannaaw jongante wu metti ca Ligue des Champions la Tribune Sport yeggeen ko yemook sunu lamb di laaj ndax amaa balde buy feete fukki atam ak juróom ci làmb ji dana fekk mu doon buuru làmb ji yéenekaay bi fàttali ni doomu Fàllaay balde bi weeru novembre atum 2008 la sampoo ndëndam wulli mel ni ku koy aartu naan ko Modou mi ma gis du neex a daan waaye li ci kanam raw li Bonjour. L'actualité livrée par les journaux parus ce jeudi 21 septembre 2023 reste essentiellement politique. Réumi Quotidien nous apprend que l'amertume envahit les pro-ADD après le retrait de la candidature de leur leader. Et ce journal signale aussi une guerre de leadership qui fait rage à Podor pendant que le quotidien revient sur la visite du premier ministre au chef religieux et nous apprend que le PM a lancé des travaux et visité des chantiers de sites religieux. Gamou de campagne concrète le journal de madame Diagne. Et le journal Le Témoin, revenant aussi sur ce déplacement d'Amadouba, constate qu'il a déroulé au mois où l'opposition était bloquée. Coiffé de sa casquette de premier ministre et avec tous les moyens de l'État, le candidat de Benno Bokoyakar déroule tranquillement sa pré-campagne électorale. Pendant ce temps, les leaders de l'opposition en tournée à l'intérieur du pays voient leur cortège dispersé, voire gazé, lit-on dans les colonnes de ce journal, qui en déduit que préfets, policiers et gendarmes roulent pour Benno. Comme pour confirmer, l'info par d'une pré-campagne des inégalités, rapportant aussi que le tapis rouge a été déroulé à Amadouba et les tracasseries servies aux opposants. Et si on en croit l'info, après Maligako à Kebemer, Dara Matam, hier, c'était au tour de Bougan Gaydani en partance pour Rosanto de subir des tracasseries. Auparavant, Mamboué Djao, dissident de et candidat déclaré à la présidentielle, s'était vu refuser l'accès au stade Maître de Wad le jour même de sa déclaration de candidature. Rappelle l'info. Deux poids, deux mesures s'exclame par conséquent ou à Grand Place, qui nous apprend aussi que le cortège de Bougan a été bloqué alors qu'Amadouba était en roue libre à Tivawan, suffisant pour que Bougan se mette en mode attaque dans l'observateur où il dit sentir des manœuvres tendant à les intimider. Et cette intimidation devrait conduire l'opposition à s'unir, s'unir qui constitue une première urgence pour elle, selon la tribune qui évoque notamment la nécessité de se regrouper autour de deux ou trois candidats. Le candidat déclaré Ousmane Sonko est lui le seul qui peut faire face au système actuel, affirme cher Chertigan dans Yor Yorbi où il soutient que Macky Sall n'a plus que la répression violente pour espérer tenir en laisse les opposants, les journalistes qui refusent de se coucher. Chertigan Diey indique aussi avoir décidé de renoncer à sa candidature et de soutenir celle de Sonko. Ousmane Sonko, qui est un homme de valeur et de vertu qu'il dit avoir appris à connaître et respecter pour son courage, son patriotisme, sa tenacité et sa ferme volonté de changer le destin du Sénégal et de l'Afrique. Lit-on dans les colonnes de Yor Yorbi où Mamadou Mbouch, coordonnateur du F24, cri Haro sur cette dictature et ce régime de prédation qu'il attribue à Macky Sall. Macky Sall qui balise la voie pour son successeur selon Lee Quotidien qui évoque les relations internationales et souligne que Macky a invité ses pères à accueillir son successeur avec la même amitié à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Parlons justement de ce déplacement de Macky Sall à New York avec l'observateur qui se penche sur les manifestations contre le président à l'étranger et voit à l'arrivée une fin chahutée pour Macky Sall, pointant notamment le camouflet de New York et l'alerte sur l'image de la démocratie. Et Direct News, comme pour expliquer le sabotage de la visite du président à New York, souligne que l'opposition, réduite au silence par Macky Sall au Sénégal, n'a fait que transférer le combat à l'étranger. Pendant ce temps, le combat contre Khalifa Sall et compagnie se poursuit dans la coalition Yehui Askanui, informe les échos qui nous apprend que l'ancien maire de Dakar et Moussatine sont complètement écartés. La conférence des leaders a créé un autre groupe WhatsApp pour se débarrasser d'eux et les réunions continuent de plus belle. Une rencontre est d'ailleurs prévue avec les ambassadeurs de l'Union européenne, informe ce journal. Au moment où le journal Wolf Quotidien voit Pastef à quitte ou double en direction de la présidentielle de 2024. Et c'est en ce moment que Réumi Quotidien livre les clarifications de Mbake face à la polémique autour du plan B du PASTEF. Et Chertiro se montre formel dans les colonnes de Réumi où il indique que Gumari n'est pas le plan B du PASTEF. Les tournées de l'activiste dans la diaspora sont dans l'ordre normal des choses et ne donnent aucun aucun indice signifiant qu'il y ait le plan B, ajoute Cher Mbake dans Réumi Quotidien, journal où les élus de Tamakunda invitent les indécis de Beno Bokoyakar à se ranger derrière Amadouba. Amadouba, que Sud Quotidien voit déjà dans la peau d'un président. Revenons sur sa visite à Tivawan en perspective du GAMU 2024 et en perspective de l'ouverture prochaine de l'Assemblée nationale sur fond de tension des candidatures. Sud Quotidien voit Yehu, Wallou et Beno en danger. Ce journal renseigne par ailleurs relativement au projet gazier Grand Tortue Armeïm que les travaux sont achevés à plus de 89%. Information livrée aussi par Réumi Quotidien et le quotidien national Le Soleil. L'Astro de Han signale par ailleurs que la grippe inquiète les soignants, notamment dans la banlieue de Dakar. Et ce qui semble inquiéter l'AS, ce sont les chiffres effarants de l'hypertension artérielle. Ce journal fait état d'un adulte sur trois touché, d'une multiplication par deux du nombre de malades et d'un risque d'enregistrer 76 millions de décès d'ici à 2050. En entendant tout cela, Source A dévoile la piste des enquêteurs pour expliquer la cause de l'explosion mortelle de la bonbonne de gaz à Diopolderclay. Selon ce journal, pour le moment, le téléphone portable est la seule piste des enquêteurs, même si elle n'était pas confirmée jusqu'à hier. Et dans sa livraison du jour, Vox Populi rapporte que le bilan de cette explosion de gaz est passé à six morts après Sagar Diouf, Djankou Diagne, Serine Salih Diouf, Khadim Diagne, Laji Ibrahima Diagne, âgé d'une cinquantaine d'années, et Aïssa Toutine, une aide ménagère, ont aussi finalement succombé à leur brûlure. Et dans ce journal, Macky Sall présente ses condoléances aux familles famille des victimes. Victime présumée de bavure, Marie Gay est morte à la suite d'une rafle à Angor, renseigne Vox Populi, qui signale cependant deux versions pour ce décès en attendant que l'autopsie tranche. Et selon Libération, le certificat de genre de mort établi ce 20 septembre note une absence de signes de traumatisme. La cause du décès est due à une lésion de pancréatite aiguë, hémorragique et une congestion des viscères, révèle ce quotidien qui raconte par ailleurs l'histoire du faux kidnapping de Yolande Silla, âgée de 27 ans, qui avait planifié son enlèvement avec demande de rançon pour soutirer de l'argent à Mohamed Sabah avec Saïd Hamza qui jouait le rôle de ravisseur. La gendarmerie a finalement débusqué la mise en scène. Yolande Silla et Saïd Hamza ont été par conséquent arrêtés pour association de malfaiteurs et tentative d'extorsion de fonds, fait savoir ce quotidien. Et le quotidien bisbi le jour dévoile le rêve brisé de Mbaye rapatrié après avoir pris la voie du Nicaragua. Et le jeune migrant se remémore l'accueil que lui ont réservé ses parents à Mbake. À Paris, pendant ce temps, Youssoundour était soncorisé, rapporte Yor Yorbi. Le témoin précise que cette soncorisation a eu lieu lors de la présentation de son spectacle Birima. Très bonne lecture, excellente journée à tous.